Bonsoir au sommaire de ce journal. Poursuite des combats à Zender dans le cadre de la 39e édition du Sabre national. Ce matin, quatre lutteurs de Niamey et Maradi ont écopé de sanctions pour des combats truqués. Plus d'éclaircissements dans cette édition. L'actualité à Niamey est marquée par la marche pacifique suivie de meetings de l'opposition politique et des partis non affiliés, une manifestation pour protester contre la gouvernance du régime de la 7e République. Nous sommes dimanche, la rétrospective de l'actualité de la semaine sera présentée en fin d'édition par Alassane Kouzi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal. Grande manifestation de protestation contre la gouvernance des autorités de la 7 République ce dimanche à Niamey. Une marche pacifique suivie de meetings organisés de la place Toumont à la place de la concertation à l'appel du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR et le Front des partis politiques non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger. Reportage Michel Deji. Ils sont des milliers de citoyens à avoir répondu au rendez-vous avec des pancartes et des slogans dénonçant une mauvaise gouvernance du pouvoir en place et exigeant le retrait de la nouvelle loi de finances 2018. Madame Baya qui une des femmes leaders de la manifestation, reste optimiste quant à leur victoire. Vous avez vu déjà des lois qui ont été votées, mais qui ont été retirées. Et nous n'allons pas arrêter. Notre refus contre la loi de finances 2018, notre refus contre la dégradation permanente des conditions de vie et de travail des populations, notre refus aux bases militaires. À la place de la concertation où toute la foule a convergé, une déclaration est lue au nom de tous les partis membres de l'O opposition politique FRDDF et des non-affiliés FPNAD. Hambali Dodo. Non à la loi organique portant code électoral et à toute série non inclusive et non consensuelle. Non Non à la promotion d'une culture de contre-valeur, au dépotisme et à toute velléité dictatoriale. Une manifestation en ce 31 décembre, dernier jour de l'an, qui annonce la détermination des leaders de l'opposition à faire de l'année 2018 qui s'annonce une année de lutte résolue et permanente, a annoncé Souman Sanda au nom du Modern Lumana, principal parti de l'opposition. Le mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa célèbre ce 31 décembre 2017 le deuxième anniversaire de sa création. Le parti de l'actuel ministre des Affaires étrangères Ibrahim Yakoubou a choisi la ville de Dosso pour organiser un grand meeting dans l'enceinte de l'arène de lutte Salma Darani. Les leaders des partis de la majorité et de l'opposition ont honoré de leur présence ainsi que des milliers de militants et sympathisants du parti venus de toutes les régions du pays. Cet anniversaire est l'occasion pour le parti de dresser un bilan de l'évolution de la formation politique et d'envisager de nouvelles perspectives. C'est au cours de la célébration de cet anniversaire que le MPN Kishinkasa va signer la convention de fusion avec les partis politiques Pund Salama d'Akoli Dawel et RSV Nima de Adamu Garba. On assiste depuis quelque temps à des combats truqués entre les lutteurs. Ce matin, le ministre de la Jeunesse et des Sports est intervenu pour avertir les responsables de cette tricherie. Ce matin, trois lutteurs de Niamey et un de Maradi ont écopé de sanctions. Monsieur Magaji Elhaj Ousmane, président des combats truqués de la 39e édition de Zender, explique au micro de notre correspondant de Zender, Mustafa Mamassani. Les sanctions ont commencé à tomber. Vous savez, il y a plusieurs sortes de sanctions. On a averti, on a averti avant-hier ici le président de la gestion des luttes, le président du jury et moi-même. Nous avons intervenu avant-hier ici. Hier encore, on a intervenu. Ce matin, le ministre a intervenu. Donc, bien avant le troisième jour, moi j'ai écrit au jury pour qu'on prenne des dispositions. Et ce sont les avertissements-là qui étaient les dispositions. Il y a eu deux rencontres ce matin. Et les lutteurs tous qui vont procéder à des combats qui ont été sanctionnés. La deuxième liste va sortir. Et puis, la troisième rencontre-là, à laquelle nous assistons présentement, il y a des sanctions et ça va tomber. Alors quelles sont ces sanctions Que disent les textes L'article 43 du Code de la lutte qui dit qu'un lutteur qui donne sciemment une victoire, il est sanctionné pendant un an. La région qui l'a amené par une place. Au lendemain d'une tuerie d'un conducteur de taxi moto Kabu Kabu qui a eu lieu au quartier Pays-Bas d'Agadez, la police a entrepris trois jours durant une opération de contrôle à travers le centre-ville et les quartiers périphériques. À l'issue de cette rafle, plusieurs personnes et usagers de la route ont été interpellés et rançonnés par des policiers malgré qu'ils soient en possession de tous les papiers demandés. Cette pratique injuste de la part de certains policiers a poussé la société civile d'Agadez Agadez, a rencontré le directeur régional de la police. Écoutons Rachid Kolo, président du cadre d'action pour la démocratie et le droit de l'homme à Agadez, après la rencontre au micro de notre correspondant Anissé Karim par rapport aux gens qui sont en règle et qu'on rançonne. Le DRPN en personne nous a notifié le fait qu'il n'était pas au courant de ces pratiques. Et il a tenu à nous rassurer quant au fait d'informer la population que tout celui qui est en règle et qu'un policier essaye de raqueter ou de rançonner, qu'il refuse tout simplement. Et s'il voit qu'il n'a pas la capacité de refuser, alors d'identifier l'agent de police qui lui aurait arraché de l'argent alors qu'il est en règle et de le signaler pour que sanctions s'en suivent. Voilà un peu ce qui s'est passé durant cette rencontre et vraiment c'était une rencontre assez franche, assez cordiale. Vraiment, nous les remercions pour cette collaboration et nous rassurons la population d'Agadez quant à notre mission à nous aussi de les défendre chaque fois que besoin se fera. Mais pour défendre quelqu'un, il faut vraiment qu'il soit dans la légalité. Donc là-dessus, vraiment, nous les appelons à se conformer aux lois, à vraiment régulariser leur situation, faire les papiers nécessaires pour euh, utiliser les engins et machines qu'ils utilisent au quotidien. Hier samedi, une caravane de sensibilisation des populations frontalières sur la libre circulation des personnes et des biens et la lutte contre la corruption a occupé la salle de réunion de la commune urbaine de Terra où femmes, hommes et jeunes étaient rassemblés. Cette caravane de l'ONG Jeunesse, Migration, Enfance, Développement concerne 34 communes des régions du Tilaberi, Dosso et Tawa pour exhorter les populations à se procurer la carte d'identité nationale, le passeport et le carnet de vaccination. Ibrahim Mamassani, chargé de la communication et du plaidoyer de la dite ONG, au micro de Bukarikanda. Kanda du côté de la population, qu'elle puisse savoir quelles sont les différentes pièces qu'elle doit détenir pour effectuer les déplacements de façon convenable. Il y a un certain nombre de devoirs. Avoir sa carte d'identité à jour, son carnet de vaccination à jour, et même à défaut pour ceux qui peuvent avoir son passeport. Et cela a été réglementé par l'espace communautaire, la CDAO pour travailler afin que le pays puisse se développer. Et pour cela, la population ne doit avoir aucune panique de pouvoir jouir de ses droits lorsqu'elle est en possession de ces différentes cartes. Et cela permettrait de réduire, sinon de résorber, de bouter totalement la corruption de nos frontières. Il faut que les frontières soient des passerelles pour tout le monde, où aucune entrave ne sera vécue par qui que ce soit. Amaradi, Maradi, un atelier de trois jours d'audit du plan de gestion environnementale et sociale d'une société d'hydrocarbures a pris fin hier. Les experts du ministère de l'Environnement ont examiné le plan mis à leur disposition pour définir les impacts positifs mais surtout négatifs que les activités de cette société peuvent avoir sur l'environnement. Selon le colonel Boubacar Amadou, conseiller du ministre de l'Environnement et du Développement durable, ce travail est une exigence pour les sociétés afin de se conformer à la loi en vigueur dans le domaine des hydrocarbures. Le colonel Boubacar au micro de Mohamed Maman. Se conformer à une réglementation protège le promoteur. Parce qu'il y a des consignes, des directives qui peuvent leur être données afin d'éviter tout incident dans la mise en œuvre de leur activité. Et quand on se conforme à une loi, on est protégé. Toute activité peut avoir un impact positif comme négatif. Donc l'objet effectivement de ces ateliers, c'est de faire en sorte que les impacts négatifs soient atténués, donc réduits au maximum. Et ce qui est de positif, comme par exemple création d'emplois, revenus, soit bonifiés. Il n'y a pas de risque zéro, comme on le dit, il n'y a pas d'impact négatif zéro. Donc c'est ça l'objet de la mise en œuvre d'un plan de gestion environnementale et sociale. L'appel que nous avons à lancer, c'est de faire en sorte que toute ces sociétés, que ce soit d'hydrocarbures, de gaz, qui peuvent avoir des impacts sur l'environnement, se conforment à la réglementation. Et comme je l'ai dit au début, c'est une jurisprudence. Ça vous protège et ça protège le citoyen, ça protège l'environnement, ça protège l'économie, ça protège tout le monde. Intéressons-nous à présent à ce nouveau bulletin du système d'information sur les marchés agricoles (SIMA) qui présente une situation globale des prix des céréales sur l'ensemble du pays pour la période allant du mercredi 20 au mardi 26 décembre 2017. L'on constate une légère baisse des prix des céréales sèches, mille, sorgho et maïs comparativement à la semaine précédente. Les prix de ces mêmes céréales étaient plus bas l'année passée à la même période, révèle ce bulletin, ce bulletin je vous propose de suivre le résumé avec Michel Dij. Au plan national, le prix le plus bas du sac de mille est relevé à Ngengemi, 16 000 francs CFA, alors que le prix le plus élevé est collecté sur le marché d'Ingal, 25 500 francs CFA. À l'instar du mille, le prix moyen du sac d'environ 100 kg de Solgo enregistre une légère baisse de 1% comparativement à son niveau de la semaine précédente du fait de l'amélioration de l'offre du produit sur les marchés. Le prix moyen national du sac de 100 kg de cette céréale se situe actuellement à 19 528 francs CFA contre 19 662 francs CFA la semaine passée. Au plan national, le prix plancher du sac de maïs, qui a également connu une légère baisse de 1%, est collecté à Gaïa 14 000 francs CFA, alors que le prix plafond est relevé sur le marché d'Agadez commune 28 000 francs CFA. Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook. La page Facebook du studio Kalangou. J'aime et je partage. À présent, la partie magazine de cette édition, celle-ci est consacrée comme chaque dimanche à un condensé des faits ayant marqué l'actualité de la semaine. La rétrospective est signée Alassane Kouzi Mahamadou. Lundi dernier, la communauté chrétienne a célébré la fête de Noël qui commémore la naissance de Jésus-Christ. En cette occasion, le ministre chargé des Affaires religieuses, le ministre de l'Intérieur Bazo Mohamed, était à la messe de minuit de cette veillée de Noël dirigée par l'archevêque Monseigneur Laurent Lampeau à la cathédrale de Niamey. Le ministre est allé livrer le message de bonne fête du gouvernement à la communauté chrétienne du Niger, Bazo Mohamed. Au nom du président de la République, en ma qualité de ministre chargé des cultes, pour leur souhaiter joyeuses fêtes de Noël et leur dire que l'État, garant de la nation, a la mission d'assurer la cordialité et la tolérance qui ont toujours prévalu entre le peuple du Niger dans ses différentes composantes confessionnelles. prier euh, priez Dieu qu'il descende sa miséricorde sur notre pays. En sport, depuis le mardi 25 décembre, Zender, la ville du Damaga accueille la 39e édition de la lutte traditionnelle. 80 lutteurs représentant les huit régions du Niger sont en lice pour le sabre national. Après cinq jours de combat hier, il n'était que 19 lutteurs invaincus, dont quatre pour Maradi, Dosso et Tawa 3 chacune. Agadez 2, Difa 2, Tilaberi 2, Zender 2 et Niamey un seul lutteur. Et puis nous avons appris que mardi dernier, l'ancien ministre de la fonction publique de l'ex-président Laurent Gbagbo, Hubert Oulay, a été condamné à 20 ans de prison par la cour d'assises d'Abidjan. Hubert Oulay a été déclaré coupable de complicité d'assassinat de 17 personnes dont 7 casques bleus dans une attaque de juin 2012 dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les 10 casques bleus étaient des militaires du Niger. Au plan sécuritaire, l'Italie va déployer 470 militaires au Niger afin de renforcer le contrôle du territoire par lequel transitent de nombreux migrants, a déclaré le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni lors d'une conférence de presse jeudi dernier. Un premier contingent de moins de 200 personnes doit partir début 2018 pour gérer l'aspect logistique de cette mission et sera rejoint dans le courant de l'année par les autres militaires ainsi qu'un total de 130 véhicules et deux avions selon la presse italienne. Et puis dans le cadre de la coopération, l'Union européenne décaisse 30,15 milliards de francs CFA en faveur du Niger. Il s'agit de la deuxième tranche de quatre programmes d'appui budgétaire de l'Union européenne qui viennent d'être finalisés. Ce paiement s'ajoute à 107 autres millions d'euros déjà versés au premier semestre de cette année au profit du Trésor public nigérien et porte le montant total des décaissements d'appui budgétaire de l'Union européenne en 2017 à 112,97 millions d'euros, soit plus de 114 milliards de francs c'est la fin de ce journal du studio Kalangu. Rendez-vous pour une nouvelle édition demain à partir de 18h. Au revoir.